il faut il faut il faut aussi. il faut être cohérent il faut être cohérent. Mm-hmm. Mm-hmm. politique aussi. Mm-hmm. c'est leur choix hein, de faire la politique. on a été des élèves en politique. mais ça dit les li dafa sujet menu. maintenant c'est le mal de certains presque tout le monde fait de la récupération. d'accord je suis je suis pour mais il y a des images qui ne meurent pas. oui hein, parce que oh. cette guerre politique va dépasser mais il y a des faits et des images qui vont elles demeurer éternelles. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont filmés et qui dans 10 ans ou dans 15 ans. Mm-hmm. majeurs peut-être vous faites connaître, ils étaient majeurs ils n'accepteraient pas d'être filmés une mère, dans, une maman dans le désarroi, hum. mais calculez tous ces enjeux-là. Un papa aussi qui vient de perdre son enfant, aussi même chose. Voilà une famille dont le fils ou la fille ou le neveu sont euh, est emprisonné pour des faits yoo xamante ne tegul ci dara lu ci problème fini, ñu ne compris qu'on euh, euh, d'ailleurs sax ci un parti politique yi yi fi cotiser je pense que les gens ont compris que c'est un danger. et ah ils l'ont arrêté. ils l'ont arrêté. parce que euh, école loolu moom école musiba la ci école politique nga faral ma wala nga ànd ak man ñu teg la dara politique ya daw cotiser la loolu moom bu kon ne woon Sénégal ci catastrophe bu mag lañ jëm mhm. parce que du dëgg wul ci dëgg am nañu am na ñu ñu cotiser quarante deux millions d'autres onze millions mais comment on peut cotiser 42 millions pour un vivant et laisser un, mort bo xamantene yow nee nga entre guillemets sa cause moko taxade wallahi du yoon. par rapport à un oppresseur bo xamantene ne da koo rey yow ya ko wax entre guillemets yow la engagé. mais où est la cohérence man je ne vois pas de cohérence moi je perds mon enfant ci lo xamantene ne euh, nguur moo ma jaay doole nee nañu rey suma ray suma dom wala ray suma rak. Mhm. à à côté quelqu'un on lui cotise de plus d'une quarantaine de millions. Mm-hmm. man on me dit on vient compassion euh, dana jeex nangam ak nangam tuddee ko chemin li euh, autoroute li nangam ak nangam tout le monde fait ça. photo té té l'erreur encore une fois. Mm-hmm. c'est les les manam les le parti au pouvoir à chaque fois et moi je le dis ici. Mm-hmm. ñom ñoy ñom ñoy ubbi van yoy chaque fois ces erreurs là ci ñom lay commencer depuis wad à aujourd'hui même je peux dire même depuis Diouf. Ça, ça n'évolue pas. Tout le temps, c'est comme ça. Combien de crises le mm. Sénégal a traversé Événement Nari, combien de mm. gens ont été tués mm. Abdou Diouf a radié, on peut dire, toute une série de cadres dans la, dans, dans la police à l'époque, on se rappelle. Ils ont commencé à euh, dédommager les gens. Ils ont lépp kenn mënu la wax ni mu toll. Mm-hmm. batalo Joola fii la ñu fekk. crise Covid bi fii la